dans cette fada nous allons parler des causes de ce divorce chez les jeunes mais aussi des conséquences que cela peut engendrer beaucoup de jeunes et beaux couples mettent un terme à leur relation à leur lien sacré pour un oui ou pour un non co kaga amare tsab da su abun gwanin kyau bayan an yi dogo soyayya an yi armi kwana biyu kawai sai ta an watsa cikin wannan shirin namu muna so mu sani dalilin wannan rabuwar arman da ake na matasa kuma da irin illolin da wannan rabuwar take kawowa Dans ce numéro, nous aurons des témoignages, la réaction d'un sociologue, mais aussi de la musique Enfin, notre chroniqueur Olivier est là pour ses informations et conseils. Ça va Olivier Ouais, je vais très bien Ravi. Et toi, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, tu parles du divorce, ça te fait rien c'est triste, c'est triste, mais bon, il faut en parler, c'est partout, c'est chez tout le monde. Vraiment, on voudrait comprendre. Exactement. Ben, ravi aujourd'hui dans la chronique, on va parler d'un concours de photographie organisé par l'ambassade de France au Niger. L'ouverture prochaine de l'école de codage d'informatique et bien évidemment des opportunités d'emploi. Je te retrouve à la fin. Merci. À tout à l'heure. Bonne émission. <laughs> Merci. Reissa, ça va Bonsoir. Ça va, bonsoir. Koura, ça va Yani, Kanalaya, ça nous marie. Nous avons cherché à comprendre l'ampleur de ce fléau qui touche aujourd'hui beaucoup de jeunes. Je vous propose de suivre euh, Ahmed Adou Moussa. Il est étudiant et pour sa soutenance, il s'est intéressé à la problématique euh, du divorce à entre 2016 et 2018. Les gens ont tendance à prendre le mariage comme une mode. Du coup, ils se précipitent pour se marier et ce qui fait que le taux de divorce est élevé. Imaginez à l'association islamique seulement. De 2016 à 2018, l'Association islamique du Niger a enregistré 3305 cas de divorce, sans compter les autres institutions et les cas de divorce non officiels. Maintenant, j'ai mené une enquête sur le terrain en tant que quelqu'un qui essaye de traiter un mémoire par rapport à cette thématique, l'infidélité et le matérialisme. Vous pouvez imaginer l'infidélité et le matérialisme sont deux causes différentes qui occupent 31,38% selon nos enquêtes menées sur le terrain. Les mêmes taux avec la même virgule. Vous allez certainement vous poser la question, comment se fait-il que des causes différentes occupent les mêmes taux qui est identique, qui n'a même pas une différence Ici, c'est nos enquêtes. Nous-mêmes, nous nous sommes posé cette question bien avant. Après, nous, sommes allés revoir les déploiements. Nous avons pensé que peut-être c'est notre déploiement euh, où, on a commis une erreur lors du, déploiement. Maintenant, quand on a essayé de, redépouiller redéployer les données, on s'est rendu compte que tous ceux qui ont coché pour euh, la barre euh, des mensonges, du matérialisme et de l'infidélité euh, ont, coché tous les deux. Ce qui veut dire ici que le matérialisme favorise l'infidélité et qui conduit au divorce. En deuxième position, je parle toujours selon les enquêtes que j'ai menées sur le terrain, mhm. vient la violence avec 27%. Jusqu'à là, certains hommes continuent par battre leurs femmes. Mais il y a également des femmes qui battent leur maris, c'est une réalité. Mais très généralement, ce sont les hommes qui battent leurs femmes. Nous avons également les mensonges. Vous savez, euh, il y a des hommes qui tiennent des fausses promesses et qui ne seront pas en mesure de respecter ce les promesses qu'ils ont tenues au début. Et c'est ce qui conduit euh, au divorce. Contrairement à ce que nous pouvons euh, penser pensée de nos jours, la polygamie et la stérilité ne sont pas les principales raisons de divorce à Niamey. Puisque selon nos enquêtes, la polygamie n'a occupé, les causes de, de divorce, la polygamie n'a occupé que 8,2% et la stérilité c'est 5,83%. Donc euh, je pense en, résumé, nous avons d'abord euh, le matérialisme, nous avons l'infidélité, nous avons la violence et aussi les mensonges. Le mensonge, mais ces chiffres-là, ça n'a pas de hein wallahi suna ba da bas tsoro. Voilà. To yanzu ya kuka gani. Shi wannan cikin binciken da ya gani an ce akwai ƙarya. Ƙarya da irin wannan bugu kana bugun matanka ita ma tana gaya maka magana an ta ga dama. Kai a ganin ka mine ne ke kawo wannan abu. La première des choses en fait c'est basé leur il y, a, y a des gens en fait euh, leurs relations sont, sont basées en fait sur le faux. Tu vois ah, un le peu. le mensonge. Voilà, voilà. Tu vois un peu. Il y a, le problème de fidélité qui est là, d'accord L'infidélité, fidélité, mais attends, c'est à quel niveau le, le, mari, le, monsieur, le monsieur, il est à la maison avec sa <laughs> femme, mais dehors, c'est des messages WhatsApp qui rentrent des autres meufs qui draguent en ville, tu vois un peu. Et il y a aussi euh, les fausses promesses qui sont là. Parce que tu vois, aujourd'hui, et à Niamey, aujourd'hui, quand tu veux vraiment attirer une fille, il te faut une voiture vraiment bling-bling un peu. Ah oui Ah oui Ah oui, ah oui. Elles sont là, elles ne peuvent pas ça. c'est vrai ça Il faut une voiture bling bling. Aujourd'hui, vraiment, nos relations de ce jour, Ici à Niamey, vraiment, c'est basé sur les matériels. Sur le matériel Oui. Ah oui. Genre, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu aies une Mais tu sais très bien qu'elle ne peut pas faire son make-up à 5 000 ou à 15 000 et puis venir marcher sur ce soleil ou bien monter à une moto <laughs> avec la poussière. C'est impossible. Attends, selon toi, ça, ça vient, ça vient d'où ça C'est les mecs qui montent l'argent. Et puis, il y a le changement aussi. Comment dire duniya ta sake yanzu ifo ke tunda in baka kama jikin ba za su je su nemi wadda wadda take kama jikin kenan dole ne mutum ya kama jikin shi dole ne kuma yo amma irin wannan materialism kin a ce har mutum in yayi armi a ce dan yau yau babu shikenan kawai sai ka tai on sait pas ça seulement sait pas ça seulement il y a une guise roche parce que mazan ma ne yanzu sai a hankali kwa <laughs> kawai <laughs> sai a hankali sai a hankali rai ta sai a hankali to tun da ba su zama kurum ba su zama kurum to ku kun ji rashin zama kurum ku ibrahim yana ba yana tada mata zuciya <laughs> to yaya ne Mazan ce rashin zama kurum bane mhm. shi armiya ana yin shi saboda abu guda ko biyu ko uku duka in ya ka harka armiya yayi ba zai saman kan musulunci Eh, musulunci kuma babu gari a ciki kin gani ka ce kana son yarinya ka arme ta normal ma ya kamata ta yi abin da kai kake so wannan shine arme ba ka zo ba ka hwaɗi ta tada ka hwaɗi ta ƙaryata wannan ba arme ne ba yana ka rabuwa da yawa ya baki ci ya baki sha ya siya miki magani ita fetu yau ya zo ya magana bai ma bari da magana tashi sai ki sa magana ki cikin ta ça c'est pas de l'éducation bah, C'est kai kana so ka ce kawai matan yanzu a ganin kimari ana iya cewa mata ne basu da tarbiya. ko ko dai su ma mazan akwai abin da ya kamata su da basu sai. a'a ba haka nan bane ba <laughs> bon su ma maza suna da laifi eh, na farko mhm. namiji kan yi army sai sai miki vrai visage ɗin shi kwa mhm. me sai ka sai guda maka halin shi yadda yake gama duka saman kan mafi yawa shi ne yake kawo wannan ba a shi tuwa kamar yanzu an riga an zo kuma sai ka gani kamar kun zama kamar e, etranger kawai ka kuna mhm. kai baka gane halin ta ba ita ba ta gane halin ta ya labe mata ya labe mata halin wi to kenan ka gani wani abu kuma ku mhm. kuna yarda da shi zancen labe hali wannan duka zancen bazani babu wani har me aka zo yi ba wani zancen laɓi hali ba tarbiya za ta yi shi ma dole zai mata tarbiya mhm. kin gani ka tabbata suna yi ba su nan ga yi ma ina suke yi su mazan ka tabbata ka tabbata duka suna nan ga yi no duka suna nan ga yi ma shi shi bai guwa in baka san mutum baka duku shi da gidansu gidan uwayen shi ka zo ka kawo shi gidanka mhm. eh man shi zaka je kullum cikin makyar su kenan kullum cikin kama shi suke <laughs> yau in ka dauko su ka kawo su gidanka wallahi shambur in kama sai ka ce da Allah ku share sai ka gani set filai da ka ɗauko treble sai ka ga ta koma wata kucaka tun kan mata uwa ta koma wata kucaka me zai ana ka in ka fito waje ba haka la'in mata ba eh, an siya mata mini an siya mata wani ne an siya mata suna nan cikin ya ba ta sahiri tara cikin valis tana kallon su in weekend da in dai kwalla ta fi kowa kyau amma lejur overall da take gida shuru ne dole in ka wuta waje zaka kalli amma ta muna so masu wani su rika kama jiki ke kadai namiji ko mi wacce za ta mishi ba zan can wani ne ne na banza da hukiyu da shi ba ide ba ne mutum ya riga almiti kawai ki kama jiki sai ki kuma zan in ka tai ka ga matansu na cikin gida sai ka azaba za su ma taba kallon mace ko mace ko wuce ta yi ka azaba su kallon mace mai kyau nawa ce bata iya magana ba a'a kan na shigo gida ta ce ma gazi ya kare mu ma san da zawa to ce lace escort lejan anvil ka samu kudi ka kawo mata mai ne ko san da zawa ba sai an connaissance de cause gani kuke kun shigo cikin gida sai fen de kwamba a lokacin lokacin ne ma kwamba wannan da ne eh? ba haka da ne magana ba eh aka yi mai da kudi ne ba su da in suna da dubule za to yanzu yanzu tunda muna da masu shuranin da suke hau can cikin interior yanzu muna da wasu a tasawa sun yi magana sun ba mu ra'ayin su bisa kan wannan annobar da take nan tana ta dama matasa hankali mu shurare su mu ji abin da suka ce wallahi mu dai abin da muke gani wannan kudaden ne da ake ba mazaje in aka baka kuɗi mutu ba mutun ka ba amma tunda yasu yanzu haka sai su ce diya suke so ba su san ko dala so in aka zo aka baka kuɗin nan da ka zo ka in ka ɗauki ɗari uku ka kai so kake in an tashi ka baka ɗari hudu wani ma ɗari biyar yake bukata a kawo gara a kawo komi da komi a kaya maka wannan abin an cinye shi kuma daga baya kuma sai a biyo biyo baya ba daɗi yau ba daɗi gobe mata ba a sa a bata sabulun wanki ba a sa a bata na wanka ba in ka tashi ka kawo abinci wani ba wani abu sai ta cika in tana da kayan ɗaki sai ta shiga hidda wa sai dawa bale tana in ta yi iyali ba su san wannan to mu dai wannan abu ya sha mu kai kuma hallau da kin hwara kin kai biki shekara biyu ba wata haihuwa hwarin ce ma kin ɗauki kayan talla kin shiga nan kala kina shiga gidaje sai ki kai ga tahiya ƙauyuka masalan yadda ya ɗoki micece matsayin mace a matsayinta na kanwa micece matsayin mace a matsayinta na mahaifiya hakan zai sa ya san menene matsayinta a matsayinta na mata domin idan ya iya girmama kanwa shi ya iya mu'amalanta ta ba zai mu'amalanci kanwa wani da rashin mutunci ba ba zai mu'amalanci mahaifiyar wani masalan mahaifiyar matar shi a matsayin rashin mutunci ba kuma a lokacin da aka kame kanwar wani to zai rike ta da daraja shine abu na farko sannan tarbiyya ce za ta nuna mishi cewa ko da wannan nukta da ta dami garin mu wanda ita ke jawo saki masalan ta bada kuɗi to tarbiyyar da aka bashi a gidansu ita za ta nuna mai cewa dukkan mahaifin da ya ɗauki ɗiya ya baka ya yi gwagwarmaya ya kawo mata kayan ɗaki ya kawo maka gara sannan ya ɗauki wani abu na alkhairi ya baka dan ka yi cirkulli ka yi aure to wannan za ka ɗauke shi matsayin babban mutum wanda ya huce kaskanci a wajen ka shi yasa ni zan iya cewa ni a matsayina na matashi to duka wannan kurakunan na labta ma iyaye su ya kamata daga lokacin da yaro na karami a kula da tarbiyyar shi tun asali lokacin da ya zo zai nemi mata ku za ta nemi miji a kula da tarbiyya zamantakewarsu ta gidan auren a rinka lekawa dukansu yara ne kun ji yanzu duka zancen da kuke nan gayi kowa yana nan gayin ra'ayin shi ne bisa kan abun da ya ji da abun da ya gani kun gane ko to ke yanzu kun ji wa'annan matasan na tasawa zancen da suka to yanzu ke ga ganin ki yaya ne za a yi a ce laihi duka kuma ga mata yake baiwa baiwa a ce laihi duk ga mata yake paske maza ma suna da laihi su yanzu wanda suke cewa an kawo an kawo gara an kawo komi an kawo an aje maka mace kuma ka zo kana wulakanta ta in ka shigo yanda suke ce mata yanda kamar ya ce mata in ka shigo gida ba magana mai daɗi shi ma namijin ofet arme mutum biyu ne ba mutum guda ba ne ba mace kamata ita kaɗai ta yi komi ba tunda ba baiwa ce aka kawo ba a gida mutum biyu ne armiya ba mutum guda ba ne ba kenan yadda ita ma za ta yi magana mai daɗi shi ma haka ya kamata yana mata magana mai daɗi yana guda mata su amma ba ya kawo baiwa ce ba wadda za ta mai aiki ta mai abinci ta kawo mai a gida a'a ba haka nan ba ne ba ismail kajiraisa kenan yanzu armiya yanzu donan donan ne Donc, euh, Genre, tu, tu, me donnes un sourire, je te donne un sourire. Oui. T'es d'accord Tu vois, et autrefois, il y a des gens qui se marient par intérêt, il y a des gens qui marie l'autre. Oui, bon, je, je veux me marier avec le gars là, je bouffe son argent après, je veux même pas coucher, je retourne chez moi. Ah ouais c'est un peu comme ça. Oui, c'est une réalité, c'est là, tu vois. Tu sais, le problème ah ah. Yo, mutane za su maɗe su armi ana iya kawo dot sai mois 7 mois ya kamata a ce an samu inda sai tan la prepare ta gaya mata gashi si haka za a ɗauko ta a kama ko kawo ba ta iya ban abokin ka zai za ki zo ki ganta da minijip abokin ka zo da debardar ta zo ta kawo ruwa haka a cikin gidajen <laughs> jiya mun gansu san ma haka nan ne suna arme bisu ma san regil ba kuma a koma kan addini a koma in ya ka samu tarbiya arme yana yana yuwa yana su ma mazan kawai suna arman ne bisu san ba ma regil eh, wanda le regil ki rigid le mariya shi ele contenu mariya shi bisu ma san shi ba duka kawai sai su arme peut-être wa'ansu mazan kawai sun ga abokin su ya arme kawai ilvon eh, dirke su ma arman zusi eh, respect ne kenan in ka bari respect ya fita tsakanin c'est parce que peut-être c'est respectant parce que le respect est mutuel d'après toi les responsabilités sont situées des deux côtés ou pas oui à vrai dire euh, les responsabilités, en fait c'est des deux côtés tu vois aujourd'hui je prends le cas des jeunes qui se marient maintenant tu sais il y a des jeunes ils se préparent pas financièrement et moralement aussi. Bon, je me marie parce que, parce que mon ami s'est marié. Tu te maries, tu ne sais même pas quels sont eh, eh, eh, les, les, les, les principes du mariage. Hein? sans aucune information. Sans aucune information. Mhm. Tu t'es marié juste parce que, bon, voilà, tel s'est marié. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, je, le, je, je vais prendre l'autre côté des filles, toujours. Parce que le vrai problème là-bas, c'est même, même là-bas en fait. Chez les filles euh, Oui, chez les filles. <laughs> D'accord. Oui. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des filles se marient à cause de leur âge. Elles se marient parce qu'elles voient que bon, j'ai 30 ans à la maison, mais il faut que je me marie. Le premier prétendant, il vient, whoop. Alors que avant de vous, de vous marier, il faut d'abord aimer la personne. Ouais. Dans ce sens, j'ai un conseil vraiment à donner à mes soeurs. Ne te marie pas à cause de ton âge. Ne te marie pas vraiment à cause de ta solitude ne te marie pas vraiment à cause de ta famille. Ne te marie pas parce que tes amis se sont mariés. Quand te met la pression, reste. Voilà. Ce conseil, ça tu ne te marie pas vraiment oui, parce qu'on te demande toujours à quand. Cherche d'abord, attends d'abord à trouver la personne que tu vas aimer. Cette personne-là qui va en premier même être ton ami, ton confident, ton amant en même temps. Est-ce qu'on peut donner ce même conseil aux garçons Aujourd'hui, oui, oui. aujourd'hui, il y a aussi un problème qui est là. Mhm. Aujourd'hui, une fille, est par part, elle vient à la maison, bon, maman, papa, je vous présente, c'est mon nouveau mec et tout. On a un projet de mariage avec lui. La première des choses, la première des choses qu'ils vont demander, c'est quoi son job, c'est quoi son boulot. et c'est dommage. Selon toi, Raissa, selon toi, mhm. toi, tu peux prendre ta fille, donner à un gaillard comme ça, un cambouis, <laughs> je sais pas. Genre qui peut même ah, pas la nourrir. Qui peut même pas la nourrir. Qui passe son temps dans les bars qui passent dans les boîtes de nuit. Toi, tu veux donner ta fille comme ça. La première des, choses à faire, c'est l'enquête de moralité. Avant que ça ne d'abord. Mais c'est ça. Avant ah, que ça ah, ne ah, prend pas Non, mais attends. Tu demandes le travail. Non, pourquoi le travail d'abord Pourquoi le travail d'abord Attendez, attendez, attendez. Avant que ça ne chauffe d'abord, on va un peu souffler en musique. On revient avec Maman Balka et on se retrouve juste après. dubara ka ba da gero a baka tsakuwa arme armen gida gara a yi shi yarinya ta gana ta da samu arme arme akwai na karhi da yaji tunda ka zo a yi dole ka ɗauka arme arme na san akwai na gado a ɗauki uwa a baiwa dangi so je ki ki zauna harme ke ruwa ki zaba da kanki kar a gaba ki ce an kware ki kai dan wana ka zabi da kanka kar a gaba ka ce na shiga uku arme dadi me ji dali arme dadi me wahala me da dadi me ji dali Allah ka bani mace ta kirki to yanzu kun shi wannan arma yanzu gashi wahala ta zo arme kowa ya bi hanyar shi an nemi gyara ba a samu ba ke kin zama zawara shi kuma ya zama gobro un divorce même quand on pense qu'on peut bien gérer ce n'est pas ce n'est pas toujours facile donc selon vous quels sont les impacts wannan irin illa ne ake iya gani yanzu yanzu ga kinan ke kin rabu kin zama zawara kai kuma ka zama gobro menene ake gani yanzu yanzu wani irin consequence ne muke iya gani yanzu yanzu donc <clears throat> la séparation des couples ouvre vraiment la porte à beaucoup, à beaucoup de mots. Aujourd'hui, tu vois, parce que les gens, ils prennent vraiment et le fait de se séparer, tu vois, comme étant la solution. Bon, alors qu'à le cas, c'est comme si ça ne pas. Mhm. Aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, bon, tu vas commencer à mettre euh, des, citations du genre qui va piquer et l'autre, tu vois un peu. <laughs> Et, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, quand deux couples se marient, c'est ces deux familles-là qui s'unissent, tu vois. Et une fois qu'ils se séparent, donc il y a une euh, cassure des liens, tu vois, des liens sociaux. Et ce qui est vraiment dommage, c'est des injures, c'est des insultes un peu partout sur les réseaux sociaux, tu vois un peu. Et c'est vraiment dommage. Mais le problème même, c'est à à la base. On ne se marie pas vraiment. Pour les bonnes raisons. Voilà. Voilà. Marie, qu'est-ce que tu as fait yanzu wani irin un ne zawarci wani un un ake kamar ke zawara ya ake farshe mine ne kike vivre cikin wannan zawarcin mace ita inda ta zama kamar le na divorce yana sa mace kamar ta samu yadi yawa da ubanni daban-daban kuma kamar yana iya sa mace ta rinka prostitution hmm. mace wadda ta yi divorce to ke yanzu ya taka gani raisa irin wannan arabu mace nan da nan ke ce ake fara gani ke a ce lahinki ne ana cewa wani lahinki ne ke zawara on te consider pa kamar su

yau tupe kuna iya rabu da mace gobe ci mari in fi wadda bata ma kai ta aji ba a yi vendunar a yi komi a yi lunde mil a yi komi ita babu wanda zai ɗauke ta mata wannan yau tana rabuwa elfer 2 tunda duk wanda zai arme ta siya waye ta kada wani irin lida ya an yi bincike an yi audit saman zamanta da mijinta namijin da yanzu wannan abokina in zai armi zawara ni ma ne zan ɗauki taxi ta in ta in zaga in je in tambaya in mi da mi da mi da mi da ah, ah, ah. in na zo in ga mun ce mishi ka ji laihin da ta yi mijin ta kore ta kana in shibar ta wannan laihin eh sai nan gwaran bata tan da dan wani ne ina san shi ke yanzu in kin shi yaron jar ya rabu da mace biyu sai ka tambaye kuma kuma kai da kake cewa da kake cewa ai in mutum yayi divorce kamar in halin mutum ne in ka saba kana divorce namiji kai ma dai baka da hakuri kai ma kai ma akwai tan inda zaka ma rasa matar da za ta armi ka kowa bata si ke raisa shi shi Ibrahim ya raba ya raba da mace uku ke yanzu zaki ta hudu haka kawai zaki tashi ki dai ya ma za yi bai yiwa sai ka yi bincike me yasa yake rabuwa da mata kuma za ka ji tsoron shiga gida yanzu kuma yanzu fa duniya ta saki <laughs> gani kake in ka sake unguwa ba a san ka ba Bah, Yanzo, Olivier, tu nous rappelles euh, notre fil WhatsApp. Pourquoi il a un <laughs> Mais attends d'abord, avant de rappeler aux auditeurs mhm. le fil WhatsApp, je rappelle que Ibrahim et Raïssa, en tout cas dans ce débat, sont les meilleurs débatteurs pour le moment. Applaudissez pour eux avant qu'on continue. <laughs> Chers amis auditeurs, vous qui nous suivez à travers notre envie radio partenaire dans toutes les régions du Niger, merci de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp. Il suffit juste d'envoyer jeune au 80 06 88 54. Retrouvez-nous sur Facebook, Studio Kalangou, Fondation Hirondelle, ou bien sur Twitter, Studio Kalangou. On se retrouve à très bientôt, ravi. D'accord. Kamar an da abokin aiki na ga yi dukkan masu shuraren mu suna iya samun shirye-shiryen mu kuma su aiko mana tambayoyin su bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54. To mu shakata da wannan waka eh, ta ka'idan gaskiya ai su <laughs> da gonzo ai mino hai ga bagul manino maka koyan tira ai ne hai ni no mo hate hau bon barma wai gu da ido ni kwara jatu do sungo ai la kale se ilebo le mana heji mago le se margo busani ne kan sika yau dai zancen mu na yau ana ma soyayyan an je kuma an dawo wannan muke so gane me yasa ana katuwar soyayya kuma an je an dawo nous sommes au quartier Riyad donc aujourd'hui c'est Korokura Ibrahim Raisa Hassan Mari Tinau Ismaël euh, Jibril Mohamed Amadou Garba su suka gayyace mu su ki nous zan invité dans leur fada wannan rabuwa in sa ayita akwai waɗanda vous vous déchirez devant les enfants, on s'insulte devant les enfants. Nous avons approché M. Alou Aye, il est sociologue et déplore cette négligence des enfants dans le processus du divorce. On l'écoute. Les conséquences sont énormes, mais nous pouvons citer deux. Deux au niveau de deux acteurs qui sont malheureusement euh, les plus vulnérables, à savoir la femme et les enfants. Les enfants, lorsqu'il y a divorce, ils ont l'impact est énorme. C'est un impact psychologique qu'on ne voit pas malheureusement. Il faut vraiment des spécialistes pour pouvoir déceler, mais c'est un impact qui a des conséquences malheureusement sur la vie de l'enfant. Et voyez-vous, c'est un enfant, un petit enfant qui est en construction. Pour lui, l'idéal, ou le premier repère qu'il a dans la société, c'est son père et sa mère. Ils sont là ensemble. Il est en train de prendre modèle avec eux. Et brusquement, tout à coup, il y a une rupture. Il ne cesse de voir maman où il va cesser de voir papa C'est des interrogations. Imagine, c'est une rupture psychologique. Même pour les adultes, c'est difficilement qu'ils supportent euh, ce temps-là, à plus forte raison pour ces petits-enfants ou ces petits-enfants qui sont en construction. Donc voici une des raisons, euh, une des conséquences qui bloque le bon développement de l'enfant. Parce que le processus de socialisation de l'individu, d'intégration de l'individu avec toutes les valeurs sociétales admises ou accepter dans un milieu passe indéniablement dans l'existence d'une famille où le père est là et la mère est là. Toi yanzu kamar kashi Ibrahim yanzu wannan a ana zance ina iya rabuwa da ke ki taye ki gidanku ki kwashi ɗiyan ma ki da su aka ake yi ɗiya ake manta mancha su ake mancha da irin abunda, wannan divorce yake musu sai kaga ana cin juna ana zaki zagen juna a gaban yara miessa. yasa ni mutane ana kawo zancen divorce divorce mai ni na in ka mace haku ka ihu zancen divorce ci mesa de côté ci mesa ça de côté c'est ta fam ta a fait kuniri ifo la punir point mais zancen akwai diya tsakankanin ku zancen kora ma bai taso ba mari yanzu ki a ganin ki ni dai a gani na wada gaban yara duk la plupart namiji shi yake qu'est-ce que tu penses de, de ces enfants qui sont négligés en cas de divorce Toi, tu es, fâché fâché, es parti, il est fâché, des fois, tu veux pas qu'il voit l'enfant, il veut pas que tu vois ton enfant. Euh, l'éducation des enfants, de un, ça va se dégrader, ça c'est sûr les enfants auront euh, une éducation vraiment minable. Quoi. Déjà, le père n'est pas là. Déjà, une éducation seule, ça ne peut même pas se faire. L'éducation, elle se donne à deux. S'il y a le divorce, en fait, quand même des si S'il y a les enfants, il y a parce que, un, ils n'ont pas demandé à être nés. Ce n'est pas de leur faute. Vous devez accepter. les tilas ne ya zama saboda yaran de saboda euh, sans la femme, le monde n'est rien. Sans l'homme, la vie n'est rien. Donc, c'est deux êtres qui se complètent. D'accord La séparation, vraiment, ce n'est pas une solution. Essayez de résoudre ça. Parce qu'une fois que vous allez vous séparer, cette séparation, il y a déjà l'impact sur leur éducation qui est là. Tu vois Même si tu n'arrives pas à comprendre ton homme, essaie de patienter. Parce que, comme on le dit, la patience est un chemin d'or. D'accord. Même si tu ne peux pas le faire pour lui, fais ça pour tes enfants. Euh, sur une note moins triste, donc on va parler de photographie. Je ne sais pas si vous aimez la photographie. Vous êtes fan de photographie ben, Olivier, au menu de ta chronique, euh, aujourd'hui, un concours de photographie. Ben, ravi, tout d'abord, félicitations aux nouveaux étudiants. Ben, ceux pour qui les n'a pas marché, ce n'est pas du tout grave. Bon courage, l'année prochaine, tout ira mieux on travaille, on se concentre et puis bah, on attend le meilleur. Il y a une différence entre échouer et avoir neuf forts, mais mes parents n'ont pas eu compris ça. T'as un gars se bat pour être répéchable. au lieu d'apprécier ses défauts, il part. On demande que c'est quel moins ça. Neuf forts ne signifie pas que j'ai échoué, ça veut dire qu'il manquait un peu, pas Est-ce que ma mère entend ça? Façon qu'elle avec, même à l'entrée du quartier, on y est qu'elle me voisait amateur de la photographie, vous aimez prendre en photo les patrimoines du Niger. Et oui, l'ambassade de France au Niger vous offre l'opportunité à travers un concours de photographie sur le thème l'habitat traditionnel au Niger. Il suffit d'envoyer vos meilleures photos à l'adresse communication.niamey-amba-diplomatie.gouv.fr. J'avoue que c'est un peu long, allez directement sur la page Facebook, soit Twitter de l'ambassade de France au Niger. C'est beaucoup plus facile. Eh oui, Olivier, à l'instant, tu nous parlais de code local. Exactement. Exactement, Rabi. Code local, ça veut dire tout simplement en zarmant l'école de codage. Du coup, c'est l'école de codage informatique du Niger qui sera ouverte en septembre à la Cité de l'innovation de Sadoré, non loin de Niamey. Super ça, mais Olivier, le code informatique, à ce qu'il paraît, c'est compliqué, non Apparemment oui, mais au fond non. Parce que Mark Elliott, le fondateur de Facebook, avait 20 ans quand il l'a fait. Du coup, si tu sais écrire et lire, alors tu peux aussi coder. Et coder, c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui à WhatsApp, à Facebook, à tout ce qu'on voit. Avez-vous la soif d'apprendre Êtes-vous capable de passer des heures devant un ordinateur pour comprendre un concept Allez, les inscriptions ont commencé sur le site de l'école www.codelocal.org. Parlons emploi à présent. Un conseil à donner à nos amis Exactement, oui, un seul. C'est à propos de quoi le CV, le curriculum vitae, ça doit être clair, concis. L'idéal, c'est qu'ils tiennent sur une feuille de A4, surtout si vous êtes encore junior, c'est-à-dire que vous êtes novice. Il n'est pas question d'écrire ici le roman de votre vie professionnelle, les gars. Aucun recruteur, n'a envie de se plonger dans un CV trop long. C'est donc à vous de faire le tri entre les informations qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et surtout retenir que celles qui sont importantes vous aideront à avoir le poste. Vous aurez en tout cas beaucoup de temps pour expliquer vos expériences sur la lettre de motivation ou lors de l'entretien d'embauche. Olivier, dans les régions, rien de nouveau bah, à Maradi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF recrute un administrateur chargé de la protection de l'enfant pour un contrat à durée déterminée. Dans la région de Difa, Care International recrute un consultant pour l'étude des chaînes de valeur. Parlant de chaînes de valeur, il y a l'agriculture, l'élevage et ça sera dans le monde rural. Donc, euh, un consultant qui a un fort potentiel économique, social et bah, environnemental, bien sûr. Dans la région d'Aragalès, dans l'Aïr, la coopération internationale euh, italienne, c'est-à-dire la coopération italienne tout court, mhm. recrute un technicien en santé mentale. Bah, tentez votre chance et sortez du chômage maintenant. Rabi, ça sera tout pour euh, aujourd'hui. On se retrouve, inshallah la semaine prochaine. Merci Olivier pour cette euh, chronique. On se retrouve demain avec Dandy. Donc merci à nos chers invités pour ce débat riche. Ça a failli partir dans tous les sens. <laughs> Ah Mais Dieu merci, on ne s'est pas tapé dessus. Donc il ressort de cette riche discussion que l'infidélité, le mensonge, sont à la base de beaucoup de divorces chez les jeunes. Voilà. Et que ce divorce-là ouvre la porte à beaucoup de délinquance, surtout chez les filles. Donc des filles qui se retrouvent euh, après déçues, qui n'ont plus envie de revivre la même situation et le mariage ne leur dit plus rien après. voilà. Donc, et maintenant, les enfants qui devraient être plus pris en compte quand on s'insulte, <laughs> quand on se tabasse, nous les grands, il faut qu'on pense à nos enfants. Et vraiment, euh, merci. Merci pour vos interventions. Donc, euh, lahinda dik arewa sai ku sai mu haɗu gobe a cikin shirin duka mu haɗu fada tare da abokin aikina Dondi.